regarde pour ma maison maintenant. ini. rien de. Waaw donc ma meña mo nek non di dem néna waxagul ci kanam lay wax bu fekké né délibéré nañu ba paré direction terre bi mambe mi nonu